barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan La commission pour l'écriture de l'histoire générale de la Faïda Tijania a été mise sur pied sous autorisation du calife général de la Faïda, Cheikh Mohamed Mahi, Cheikh Ibrahim Nias, Khadimul Umma. Voici la lettre d'autorisation en date du 6 octobre 2020. Confiée à Cheikh Ahmad la ladite commission a pour but d'écrire l'histoire du père fondateur de la lignée Niasel, en l'occurrence Aladji Abdoulaye Nias le Grand. Recueillir Collectionner, collationner les écrits des érudits de cette grande école, faite de foi et d'érudition. Numériser les manuscrits écrits par ces ténors, Sauver ce qui reste de la bibliothèque Abdallah. Saisir, commenter, gloser sur les écrits du père fondateur et sur les ouvrages ou textes produits par ces ténors. Rédiger en plusieurs volumes, l'histoire de l'imam de la Faïda, en l'occurrence Maulana Sheikh Ibrahim Nias de sa prime enfance à sa formation des doctements de son illustre pater au décès de ce dernier. Suivre ses pas durant la période charnière de 1922 à 1929, qui vit éclore ce mouvement plus divin qu'humain qu'est la Feida Tijaniya Ibrahimia. Suivra un volume qui dessinera la trajectoire du dit mouvement, d'abord par le Sénégal, son berceau géographique, pour ensuite jauger son influence dans les pays riverains que sont la Gambie et la Mauritanie. Cela débouchera sur les étapes de son expansion dans les autres pays africains, les rapports du Cher avec les dirigeants du monde arabo-musulman, ainsi que les leaders politiques européens ou américains ne seront pas en reste. Le tout appuyé par des documents originaux, inédits, tirés des tiroirs de Cher lui-même ou de ses héritiers directs. Un autre volet du projet s'occupe de la traduction des œuvres du Cher, de son illustre père, mais aussi des ténors de son école. Enfin, la partie audiovisuelle passera par la mise en ligne du site de l'histoire générale, la réalisation dans un premier temps d'un documentaire sur la vie d'Elaj Aboulaïnes qui retracera les péripéties de sa vie. Bilan d'étape 2021-2022, première année d'existence du projet. Mise sur pied du comité qui traduit en neuf langues surnommées Khuda Molfaida » les les traducteurs au service de la Faida. À son actif, Traduction de l'ouvrage Les trois stations de la religion en sept langues. Traduction du Ruhul Adab du cher Ibrahim en anglais. Traduction du Mutahirul Qulub, le purificateur des cœurs, écrit par Alaj Abdullah en anglais et en turc. Création de la Task Force pour la traduction des œuvres du cher basée en France et qui a à son actif la traduction du recueil Nourul Bassin sur la sainte histoire de notre prophète alayhi traduction du Nailul Mafaz note poétique retraçant les étapes du second pèlerinage du à la Mecque, la Rihla Konakiriya qui décrit ses pérégrinations au Mali, en Guinée et en Sierra Leone en 1947, la traduction de deux autres recueils poétiques consacrés respectivement à ses voyages de 1952 au Ghana et en Mauritanie. Et last but not least, ses notes en prose lors de son premier pèlerinage en 1937. La plus grande réalisation de l'année 2022 a été la publication du volume sur le patriarche de la lignée Niassen, Alhaj Abdoulaye Nias, par Elaj Idrissa et cher Ahmad Boukar Omar Niang. La version arabe de la dite biographie est presque achevée. Ainsi, la version revue et corrigée du Tanbir Nas, ouvrage phare d'Al-Hajj Abdoulaye Nias sur la sacralité de l'allégeance liant le disciple Tidjani au maître de la voix. écrire l'histoire de l'homme-monde n'est guère une sinécure. Mais l'initiateur de ce projet n'est plus dans un banc d'essai. Il a déjà publié un ouvrage de 400 pages, Homme-monde, tome 1 et tome 2, sur la biographie du cher, traduit deux de ses recueils de poèmes, Selo Qalb et Nurul Haq, publié une anthologie sur les poètes qui ont écrit sur lui, poète du cher, publié une biographie sur les disciples de la première heure, tel le sincère postulant, publié en arabe, français et en anglais, consacré aux relations entre Cheikh Ibrahim Nias et El Hajj Mahabdounian. Il jouit de la confiance des grands de la Khadra, tel qu'il ressort des témoignages qui suivent. génne dollalam ci liggéeyu Cheikh Ibrahim te liggéey bi mu nar a liggéey dëgg-dëgg moo gën a màgg ci ñëpp nga xam ne liggéey nañ ci lu aju ci domaine boobu benn mauritanien dañ ci doon góorgóorlu waaye ñu ngi yaakaar ne dina gën a matee fii noo xam ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dimbale. di nuyu suñu rak yu baax Ahmadou Boucar Cheikh Ahmadou Boucar mi nga xam ne. moom méngoo woon waxtaan wi tey kontaan nañ ci lool kuñ tànn la ci lépp loo xam ne waxi dëgg la te wax ju wér lay doon te nit ñi mën nañ cee jumoo jëlee ci njub moo tax ñu tànn ko loolu ñu ko tànnee nag ñun gis nañ ko ñu ngi koy gërëm ndax gëstu pour jox nit ñi yombut nga jël say waxtu def ko ci foog nga am ci coono bu rëy waaye loolu yëpp moom tegoo na ko ba def li nga xam ne moom lañ doon séntu ci moom yal na yàlla fayan tegew yal la yàlla yokk yal na yàlla yokk sa zahir yal na yàlla yokk sa batin yal na yàlla yokk sa xis yokk sa maana te nga yàgg nekk njëriñ dund dund bu gudd boo xam ne lépp njëriñ lay nekk yàlla mën na loolu yàlla na ko def ustaaz al muhaadir suñuy rakk Cheikh Ahmed Boucar ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def ci xadra bi ci fekkee nañ ci waxtaanam bi tuuti waaye liñ ci fekkee lépp njëriñ la te xam-xam la boo xam ne nii dafay am ay tegtal ku xam waxi baay li muy wax da nga fekk lépp ne bàyyi wax na ko ci waxam waaye moom mu topp ko ci ay bind topp ko ay ci jëf ci jëflante gëstu pour jëriñ ci nit ñi ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla dimbali ko yàlla yokk ko xam-xam yokk ko tawfiq yokk ko wér may ko tal ba nga xam ne ni liggéey bii nga xam ne mooy liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu te mu ci góorgóorlu yàlla gën ko ci dimbale jërëjëf Ahmed Boucar Cheikh Mouhamadul Amin ñu ngi sant suñu doom jële jërëjëf Cheikh Ibrahim ibnul bikr di cheikh mouhamadul amin moo ko tànn boole ko ci muhaadar yi chab la boo xam ne wax naa ko ne ko li ngay wax danga koo xam te ñeme nga koo wax man kooku mel noonu dama daf may neex te dafay ànd ak giin ak yar bàyyi mu ne koy wax te amee sa ak yii war nga am foo ko jaarale shabab bi moytandiku leen bàyyi mu ne te amagoo fanweeri at ak juróom wax dafay am xan-xana jëlee naa ci suma baay gis naa leetar boo xam ne baay suma maam a ko bind suma maam mu ne loolu du nit mën a xam la dégg naa ci suma baay mu ne bàyyi mu ne loolu nit mën na koo dégg waaye gone ko amul fanweeri at ak nangam soixante-quinze fekkul la nga juddu nga tëb rek càtt ko ci digg ba ne bàyyi mu ne nga lay déglu am na ñoo xam ne boroomi xel lañ dañ ñaan kii daf ñoo bëgg a fontoo loolu yàlla musal na la ci jërëjëf ñu Appel à contribution de tous les disciples, musulmans ou amoureux d'histoire, des idées et de la religion de quelque nature que ce soit, pour répandre et vulgariser la contribution de la faïda à l'histoire du monde. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan